le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, 18 heures passé de 15 minutes à Niamey. Monsieur, dames, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum du studio Kalangou au micro Nefis Adam Sirfo. Rappelons que le réseau des radios partenaires du studio Kalangou s'est élargi à la radio Sugi Dayoru, Alher de Bankilare et Challenge FM 96.6 FM à Niamey, soit un total de 34 radios partenaires sur l'ensemble du Niger. Le forum du studio Kalangu reçoit des spécialistes, des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Nous parlerons dans le forum de ce soir du sévrage chez l'enfant, une pratique qui consiste à priver l'enfant du lait maternel pour l'amener à s'habituer à une nouvelle alimentation variée. Comment les spécialistes définissent-ils le sévrage chez l'enfant Quelles sont les raisons du sévrage chez l'enfant À quel moment et comment sévrer l'enfant Quels sont les aliments complémentaires à donner à l'enfant après le sévrage Cette pratique a-t-elle des conséquences sur la santé de l'enfant et de la mère ce sont là autant de questions euh, et à bien d'autres que nous tenterons de trouver des réponses avec nos invités présents dans ce studio. Il s'agit de Madame euh, Sabo Zainabou, elle est pédiatre. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Nous recevons également Monsieur Bello Razaka, il est nutritionniste. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu. Chers invités, merci une fois de plus de nous avoir honorés de votre présence. Pour planter le décor, veuillez euh, vous présenter à nos auditeurs vos fonctions ainsi que les structures que vous représentez. Je commence par vous, docteur Zainabou. Euh, je remercie le studio Kalangou de nous avoir euh, donné cette opportunité pour discuter sur ce thème, le sevrage. Je suis docteur Sabo Zainabou Adamamaiga. Je suis pédiatre, j'exerce euh, au niveau de la clinique Kwarakano. Et monsieur Bello euh, Bello, je suis Bello Abdelrazak, euh, je suis nutritionniste, je suis enseignant et je suis au niveau du ministère de la formation professionnelle. Merci à vous. Et comme je le disais, le sévrage, c'est la privation du lait maternel chez l'enfant. Docteur, comment vous le définissez, docteur Sabozenabou Le sévrage, comme on le dit, privé et de ne plus donner le lait maternel. En réalité, c'est la définition qu'on donne, mais au sens propre, c'est pas ça. Le sevrage, c'est un processus qui amène à arrêter le lait maternel. Donc, c'est un processus de long cours. C'est pas du jour on se lève et on se dit je vais sevrer et on donne plus le lait. C'est pas ça le sevrage. Et nos termes médicaux maintenant, c'est vrai, quand on dit sevrage, euh, on pense que faut arrêter de donner le lait. Maternel, non. Le sevrage, nous, on l'appelle maintenant la diversification. Diversification. La diversification, ça veut dire, c'est l'introduction, comme le sevrage, c'est l'introduction d'autres aliments autres que le lait maternel pour pouvoir euh, amener l'enfant à s'adapter à, à, ces aliments jusqu'à amener à arrêter le, lait, maternel. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un processus qui aboutit à arrêter le lait maternel. Mhm. Euh, monsieur Abdelrazak, euh, le sévrage, quelle est la définition que, que vous donnez au sévrage oh, oh, Oui, j'adhère à la définition donnée par, par la pédiatre. Et comme elle l'a dit, euh, souvent, quand on parle de sévrage, les gens ont tendance à voir la phase arrêt arrêt de l'allaitement. En fait, le sévrage, comme elle l'a dit, c'est un processus, un processus qui commence dès qu'on introduit un aliment autre que le lait maternel et qui va normalement conduire dans sa phase ultime à l'arrêt de, l'allaitement maternel. Mhm. Donc le processus, euh, donc le cerveau, comme euh, elle l'a dit, c'est vraiment un processus qui va consister à l'introduction d'un aliment autre que le lait maternel et qui aura pour phase ultime l'arrêt de l'allaitement maternel parce qu'en ce moment-là, l'enfant s'est habitué à recevoir d'autres aliments. Donc, naturellement, le lait maternel, on mhm. pourra euh, euh, à ce moment-là l'arrêter. Oui, comme on le sait tous, euh, le lait maternel, il est le meilleur aliment que, que la mère puisse donner à l'enfant. Alors, pourquoi, pourquoi vrai son enfant, docteur Zainab Ok, très bien. Le lait maternel, ce que j'ai l'habitude de dire incomparable. Et jusqu'à l'ère actuelle, on n'a pas un lait qui peut égaler le lait maternel. On peut rester toute une journée, on ne finirait pas de dire les avantages du lait maternel. Et le lait maternel, c'est ce qu'il y a de meilleur pour euh, l'enfant. Et on le donne à l'enfant jusqu'à l'âge de six mois jusqu'à l'âge de 6 mois, parce que jusqu'à 6 mois, ça couvre tous les besoins dont l'enfant en a besoin pour son organisme. Le lait maternel peut apporter tous ces éléments, sans exception. Quelles peuvent être les causes du sévrage donc euh, Quelles sont les causes Donc, euh, à partir de 6 mois, l'enfant, c'est un organisme en croissance. Donc, à partir de 6 mois, ce lait maternel ne couvre plus les besoins dont l'enfant a besoin. Donc il faudrait nécessairement, il faut nécessairement apporter d'autres aliments pour accompagner sa croissance. C'est pourquoi le lait maternel n'est plus suffisant à ce moment à partir de six mois et donc il faut apporter un apport. Un apport jusqu'à un moment où l'enfant n'aura plus besoin de ce lait maternel pour sa croissance. Mm-hmm. Donc c'est pourquoi obligatoirement il faut euh, une diversification, il faut apporter quelque chose parce que le lait maternel seulement ne suffit pas à partir de ce moment, à mm-hmm. partir de six mois. Monsieur Bello, vous avez quelque chose à... Oui, euh, oui justement, comme elle l'a dit, quand on voit euh, la phase 0-6 mois, la phase 0-6 mois pour l'enfant, et effectivement, ça correspond à la phase allaitement maternel exclusif. Et normalement, à partir de six mois, on doit introduire d'autres d'autres aliments. Euh, quand vous regardez que ce soit les besoins en vitamines, que ce soit des besoins en protéines, que ce soit des besoins en sels minéraux, le lait maternel est largement suffisant pour couvrir les besoins de l'enfant jusqu'à jusqu'à six mois. Et en termes de volume également, c'est pareil parce que quand vous avez une production euh, moyenne de entre 0 et 6 mois de, 800 millilitres de, lait par, en moyenne, donc euh, ce, volume-là est largement suffisant pour couvrir les besoins de, l'enfant. Mhm. Maintenant, après six mois, ce volume, le volume de lait que la mère va produire, ce volume de lait va, va, euh, va, chuter et on va passer de 800 minutes à autour de 600 minutes. Donc mhm. naturellement, lorsqu'on passe de 800 à 600, ne serait-ce qu'en termes de volume, ça ne peut pas permettre de couvrir euh, les, besoins de l'enfant. Et également, comme je l'ai dit, de façon également sur le point qualitatif, que ce soit les besoins en vitamines, comme elle l'a dit, l'enfant est en phase de croissance et l'enfant qui est en phase de croissance, ses besoins auront tendance à augmenter, que ce soit, mhm. comme je l'ai dit, les besoins en vitamines, les besoins en sels minéraux, les besoins en protéines, mhm. les besoins en énergie. Mhm. Donc, naturellement, en plus du lait maternel, il faut lui adjoindre d'autres aliments. C'est cette étape-là qui va correspondre au sévrage et c'est ça la nécessité du sévrage parce que tout simplement, l'alimentation, le lait maternel n'est plus suffisant pour couvrir les besoins de, de l'enfant. Oui, justement, on le voit, certains enfants, ils allaitent et mangent d'autres aliments en même temps. Donc, euh, à quel âge, à quel moment il est recommandé de sévrer l'enfant Comme nous l'avons dit au départ, le, sévrage, c'est un processus. Donc, c'est un processus qui, normalement, commence à partir de, de 6 mois, puisque nous avons dit que, normalement, la phase 0-6 mois, c'est la phase allaitement maternel exclusif. Mm. Donc, c'est une étape qui va commencer à partir de 6 mois, et à partir de 6 mois, l'enfant va recevoir va commencer à recevoir des, aliments. Donc le, processus du sévrage, normalement, commence à partir du sixième mois, à partir du moment où on introduit les aliments, les aliments qu'on appelle les aliments de, de, de complément. Donc c'est à partir de ce moment-là que le sevrage va, va, va, commencer. Et maintenant, en fonction de l'âge de l'enfant, il y aura des aliments qu'il faut donner, il y a des mhm, aliments qu'il mhm. faudrait progressivement ajouter en fonction de, de l'âge de, de l'enfant. Oui, donc donc c'est pour dire simplement que eh, vraiment ce, le sevrage c'est un processus et ce processus-là il commence à partir du, sixième mois. Docteur Zeynep, euh, certaines mères sèvrent leurs enfants à l'âge de deux ans voire trois ans, est-ce normal Bon, euh, certaines mères sèvrent, sèvrent leurs enfants à l'âge de 2 ans. Bon, si à partir de ce terme-là, que les gens connaissent, c'est vrai, c'est arrêter de donner le lait maternel que nous, on appelle dans notre jargon ablactation. Mm. Mm. Ils font la la effectivement à l'âge de deux ans. Et je pense que à l'âge de deux ans, c'est largement suffisant parce que si on commence dès six mois, à introduire les autres aliments autres que le lait maternel. Par exemple, on commence avec la bouillie et avec le temps, le plat familial et avec le temps, le plat familial enrichi et le plat familial ordinaire. Mm-hmm. À l'âge de deux ans déjà, euh, le, c'est optimal euh, de c'est vrai, de, c'est vrai de faire l'ablactation. Moi, je ne mm. dis pas c'est vrai, mais je dis <laughs> ablactation, le fait d'arrêter, vraiment de donner le lait maternel. Mm-hmm. Ah, à l'âge de deux ans, c'est déjà bon. Et comme mm-hmm. vous l'avez dit plus haut, euh, le sévrage euh, la lactation ou le sévrage, <laughs> comme vous venez de le dire, ce n'est pas euh, un beau jour que la mère décide euh, d'arrêter catégoriquement d'allaiter son enfant. C'est un long processus. Alors, parlez-nous de ce processus. Comment ça se passe euh, effectivement Ok. Donc, comme le, le nutritionniste l'avait dit, c'est les besoins que l'enfant en a besoin jusqu'à six mois, la mère donne. Donc, le plus souvent, nous, ce qu'on dit à la maman, de 0 à 6 mois, donner le sein matin et soir. Et à chaque fois que l'enfant réclame, il faut donner. Donc au minimum 8 fois par jour. Donc ça couvre tous ses besoins. Mais à partir de 6 mois, sa croissance, le lait maternel ne pourra plus couvrir ses besoins. Donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut, apporter, il d'autres aliments. Quel aliment C'est pas à l'âge de six mois directement on commence à donner le <laughs> plat familial. Non, on ne donne pas le plat familial, mais il y a ce qu'on appelle les bouillies enrichies ou bien même nos aliments locaux tels que foura, hmm. enrichis. Certains donnent des purées. Des purées, tout ça, vraiment de l'aliment liquide, mais enrichi. Enrichi comment c'est pas le, le, le froid ou bien le donou liquide qu'il faut donner. Mm. Non. Il faut donner que ça soit épais. Et là, il faut l'enrichir. On l'enrichit comment? On peut mettre, on peut l'enrichir avec de l'huile, avec de pâte d'arachide, mm. avec de petits poissons. Vraiment ce qu'on a sous la main. Et c'est ce que lorsque on prépare voilà la bouillie, on veut donner à l'enfant, c'est en ce moment qu'il faut l'enrichir. Mm. C'est pas vraiment comme liquide qu'il faut donner, mais que ça soit épais. Et même la bouillie, il y a des farines qui sont euh, prêtes pour l'utilisation sans être enrichies, mm-hmm. mais les, les, bouillies comme on, on achète sur le, terrain aussi, on peut donner, mais il faut l'enrichir. Mm. C'est ça l'avantage, l'enrichir soit avec de l'huile, soit avec les pâtes d'arachide, soit avec le petit poisson, soit avec d'autres purées. Et les purées aussi, il faut donner. Donc, ce qu'on a l'habitude de prendre, euh, et en plus du lait maternel, et là jusqu'à quel âge mhm. C'est-à-dire de, de 6 mois jusqu'à 9 mois, c'est ce qu'il faut donner. Il faut donner ces aliments et il faut continuer aussi à donner le lait maternel tant que l'enfant réclame, mhm. il faut donner le lait maternel. Mhm. Parce que le lait, c'est très capital pour sa croissance. Mhm. Et en plus aussi, il faut donner les fruits de saison. Parce que chaque saison a des fruits qui sont à la portée de, n'importe qui et qui sont vraiment très optimales pour la croissance de, de l'enfant. Le nutritionniste est là ce sont des, des, des aliments qui amènent les sels minéraux et c'est très capital pour leur croissance. Tous ces aliments, si on le comprend bien, c'est à partir de 6 mois. À partir de 6 à 9 mois, on commence. Dès 6 mois, on commence. Mais mhm. que ça soit vraiment de la purée, vraiment du, du liquide, quoi. Mais pas de liquide comme l'eau non que ça soit un peu épais. Et donc, euh, certains mhm. enfants, ils prennent des biberons avec d'autres laits. Euh, comment ça s'explique cela Bon, le biberon avec d'autres laits, par exemple, d'autres mères, ils peuvent extraire leur lait maternel et puis mettre dans le biberon. Ce n'est que la pratique qu'on est en train de donner. Et il y en a d'autres mères aussi ne donnent pas le lait maternel, mais ils donnent de lait artificiel. Artificiel, oui. Ça aussi, ce n'est qu'une pratique. Maintenant, le sevrage, il tient à arrêter de donner surtout ce lait maternel. Et mm-hmm. surtout ce lait, et ce lait uniquement ne suffit pas pour la croissance de l'enfant. Mm-hmm. C'est très capital. Mm-hmm. Et donc, jusqu'à amener au moment où on veut arrêter de donner le lait qu'on appelle couramment sevré, sevré, mais le sevrage, c'est l'introduction d'autres aliments autres que le lait maternel. Voilà. Monsieur Bello, euh, à quelle période de l'année il est recommandé euh, de, de sévrer l'enfant Période de chaleur, période du froid oh, oui, donc euh, il n'y a pas de période en tant que telle. Je dirais plutôt que la période, ça va correspondre à quel moment l'enfant a eu l'âge pour, pour recevoir les, aliments, les aliments de complément. Donc, euh, si l'enfant, je dirais malheureusement, entre guillemets, à six mois en, avril, donc en avril, on, va faire le sévage. Si l'enfant a six mois en décembre, en décembre, on va, on va continuer, on va commencer le processus de, de, de Donc, il n'y a mm. pas de période, n'est-ce pas, à choisir pour, pour faire le, pour faire l'introduction des aliments. Mm. Donc, euh, la seule période qui tient, c'est là vraiment, c'est l'âge de l'enfant. Dès que l'enfant a, a six mois, il faut introduire euh, les aliments de complément. Mm. Mais peut-être maintenant, euh, la seule chose que je voudrais ajouter, c'est que par rapport à l'âge, la question que vous avez posée par rapport à l'âge, en fait, quand on regarde le lait maternel, comme elle a dit, c'est important. Et c'est cette importance qui fait que souvent, certaines mères ont tendance à penser qu'au-delà de six mois, je peux continuer à ne donner que le lait maternel. Mm-hmm. Si on fait la promotion de l'allaitement maternel, est-ce que jusqu'à six mois, ça c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, il faut éviter aussi aux mères de continuer à faire que le lait, à donner que le lait maternel après, après six mois. Et d'autres choses, l'autre chose aussi qu'on remarque, c'est qu'on a une introduction précoce souvent des, des, aliments mm. avant l'âge de, de six mois. Mm. Maintenant, quand vous regardez souvent eh, les enquêtes nutritionnelles, on fait des enquêtes nutritionnelles qui renseignent cette information par rapport à la pratique de sévrage, Et on remarque que euh, déjà euh, à peu près un dixième des enfants, n'est-ce pas, ne reçoivent pas une alimentation de complément. donc ne sont pas dans le processus de sevrage, normal. L'autre chose, c'est que euh, également à travers les enquêtes nutritionnelles, on a remarqué aussi que l'âge moyen de sevrage si on doit l'appeler sévrage de l'enfant, mhm. euh, l'âge moyen de sévrage, c'est 17 mois, n'est-ce pas, autour au Niger, alors que euh, l'OMS, l'OMS qui est l'organisation qui donne des directives par rapport à ces pratiques, euh, mhm. à ces pratiques alimentaires, l'OMS, l'UNICEF. Donc l'OMS recommande notamment de, faire l'allaitement jusqu'à jusqu'à 24 mois et, plus. Donc ça mhm. veut dire que le 24 mois, normalement, c'est l'âge minimum. Donc mais souvent, comme je l'ai dit, dans la réalité, en fait, il y a beaucoup qui arrêtent d'allaiter de donner le lait maternel à partir de, 17 mois. Mm. Et toujours par rapport à cette étude, à certaines études, donc, euh, dans nos milieux, on a souvent constaté qu'on a tendance à arrêter le lait maternel beaucoup plus tôt chez l'enfant de sexe masculin que chez l'enfant de sexe masculin, <laughs> euh, féminin, parce qu'on dit que c'est un garçon, et comme c'est un garçon, il faut qu'il apprenne à se battre tôt, <laughs> et c'est pour cette raison qu'on a tendance à arrêter le lait beaucoup plus tôt chez l'enfant de sexe. Précoce. Voilà, beaucoup plus tôt chez l'enfant de sexe masculin plutôt que chez l'enfant de sexe euh, féminin. Mhm. Et je voudrais également rebondir par rapport aux, aux aliments que le docteur a, évoqué. C'est vrai que c'est, comme on l'a dit, c'est un processus qui va commencer à partir de six mois. Il y a des petits conseils souvent que nous, que nous donnons par rapport à l'introduction des aliments. Elle a, évoqué l'introduction des, aliments liquides. Donc, il y a peut-être, comme je l'ai dit, c'est des petits conseils que nous donnons. ça veut dire qu'il faut, comme elle a dit, commencer par la, par la phase, mm-hmm. la phase liquide. Ça mm-hmm. veut dire que nous avons globalement, pour le processus, nous avons trois phases. Donc la première phase, c'est la phase, c'est la phase liquide. Et cette phase liquide, c'est la phase qui va consister à donner essentiellement des les aliments, aliments liquides comme, comme les, comme les bouillies. Maintenant, après la phase liquide qui intervient dans la période 6, 9 mois, comme elle a dit, nous aurons la phase semi-solide ou semi-liquide. Mhm. Et cette phase semi-solide ou semi-liquide, elle va intervenir à partir du 9e mois jusqu'au 11e mois. Mhm. C'est la phase semi-liquide ou semi-solide. Et maintenant, à partir du 12e mois, on va rentrer dans la phase solide. En ce moment-là, naturellement, l'enfant pourra recevoir le plat, le plat familial. Mhm. Docteur Zenob, je reviens vers vous. Plus haut, vous avez parlé d'ablactation, c'est ça Donc, euh, euh ablactation, sévrage. Euh, donc, dites-nous quels sont les types de sevrage qu'on peut pratiquer sur l'enfant. Il y a des types de sevrage. Bon, type de sevrage, euh, je ne sais pas moi, parce que moi, comme ce que je disais depuis la définition, le sevrage, c'est la diversification, comme on l'a toujours dit, et puis le fait d'arrêter de donner euh, le, lait, maternel. Donc, euh, je ne crois pas s'il y a de type mhm. de sevrage. tout simplement le type de sevrage, peut-être il y a des types d'allaitement. Oui, mais le type de sevrage, je ne pense pas qu'il y ait de type de sevrage parce qu'on a dit le, le sevrage, c'est un processus qui aboutit à l'arrêt de, mhm. euh, à l'arrêt de l'allaitement maternel. Maintenant, l'allaitement, L'allaitement, c'est ça qu'il y a plusieurs types. Il y a l'allaitement maternel, il y a l'allaitement mixte, il y a l'allaitement artificiel. Et bon, c'est là que je sais qu'il y a des types d'alimentation. Maintenant, en ce qui concerne le sevrage, c'est à partir de quel moment on peut introduire d'autres aliments autres que le lait. C'est pas uniquement euh, autre que le lait, et ça peut être le lait maternel, ça peut être le lait euh, artificiel, ou autre. Maintenant, euh, le sevrage, si on veut mettre entre guillemets, arrêter de donner le sein, comme ce qu'il avait dit, ce que l'OMS recommande, et même ce qui est dit dans le Coran, si j'ai bonne mémoire, c'est au niveau du, de, de la sourate 2, verset 233. Je pense que c'est dit que c'est recommandé mm. d'alimenter les enfants jusqu'à l'âge de deux, ans. C'est écrit. Donc maintenant, à partir de deux ans, là, on peut arrêter de donner le lait maternel. Là, on peut faire notre euh, ablactation ou sinon vous voulez votre euh, le sevrage <laughs> comme on aime le dire. Monsieur mhm. Bello, euh, selon vous, quels peuvent être les inconvénients du sévrage euh, sur l'enfant Oui, les inconvénients du sévrage, euh, c'est essentiellement un inconvénient sur la, croissance. lorsque on regarde également, parce que j'ai évoqué tout à l'heure les enquêtes nutritionnelles qui sont mhm. faites, qui renseignent, comme on appelle ça, les pratiques alimentaires, notamment les pratiques d'arrêt de l'allaitement. Donc, lorsqu'on fait des statistiques, on remarque que généralement, euh, la, au niveau de l'état institutionnel, euh, dans la phase qui correspond, comme tout à l'heure, j'ai dit, euh, l'âge moyen de, sevrage de chez au Niger, c'est autour de 17 mois. Et lorsqu'on le constate, on fait, ce que vous avez beaucoup d'enfants malnutris dans cette dans cette tranche dans tranche d'âge là. Alors que l'enfant parce que normalement on dit que l'arrêt de l'allaitement doit se faire à 24 mois. Donc ce qu'on remarque, c'est que généralement à partir de 17 mois, il y a beaucoup plus d'enfants malnutris parce que tout simplement euh, on arrête de façon brusque, comme cela se fait dans nos, souvent dans nos, sociétés. On arrête de façon brusque le, de lait et ça entraîne une chute de poids et cette chute de poids va peut entraîner malheureusement la, malnutrition. Et l'autre chose aussi euh, par rapport aux inconvénients, puisqu'on a dit que normalement, le sevrage, c'est un processus qui commence à partir de six mois et qui, pour faire un bon sevrage, je le mets aussi entre guillemets, il faut une bonne diversification alimentaire. Et malheureusement, il y a beaucoup de mères, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de notion sur cette diversification alimentaire. Parce que mm. si la diversification alimentaire n'est pas faite, bien faite à partir de six mois, là également, on peut avoir une chute de poids, on peut avoir des problèmes par rapport à une diminution du poids mm. et ça va avoir un effet sur l'état nutritionnel, entraîner la malnutrition. Là également, lorsque on fait le constat des enquêtes nutritionnelles, on, remarque également qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont malnutris après, après six mois, mm. la phase six mois qui correspond à l'introduction des aliments de, de complément. Donc vraiment, les, la principale conséquence du sevrage, n'est-ce pas, c'est une chute de poids. Maintenant, lorsque vous avez un enfant qui a des problèmes par rapport à euh, son état nutritionnel, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant est malnutri, naturellement, il y a d'autres conséquences qui peuvent apparaître parce qu'on a quand même une relation entre la malnutrition et la survenue de, la plupart de, certaines maladies. Plus l'enfant aura euh, euh, va être malnutri. Malheureusement, plus euh, la plupart des maladies, notamment les maladies infantiles, c'est une porte ouverte, comme vous l'avez dit, pour vont, apparaître. Merci à vous. Et docteur Zenobou, selon vous, quelles, sont, quelles, peuvent être les conséquences du sevrage chez l'enfant, que ce soit sur sa santé physique ou, psychologique donc, le sevrage, comme le nutritionniste a su bien le dit, vraiment, c'est surtout l'intérêt de bien conduire un bon sevrage. Si le sevrage est bien conduit, il y a une bonne croissance, un bon développement psychomoteur pour l'enfant. L'enfant évolue correctement. C'est pourquoi on a dit dès six mois, il ne faut pas continuer à donner uniquement le lait maternel parce que ça ne couvre plus les besoins. Donc si au lieu de d'introduire d'autres aliments, on ne le fait pas, on continue à donner uniquement le lait maternel, l'enfant va être malnutri parce que ça ne couvre plus ses besoins. Maintenant, au moment où il faut introduire les autres aliments et qu'on les introduit mais mal, on aboutit à quoi On aboutit aussi à de euh, retards de croissance mm-hmm. et à la malnutrition, comme il a, il a eu à le dire, et accompagné aussi avec euh, les infections et tout, et voire même la mortalité. Donc, les conséquences, c'est très capital. C'est pourquoi il faut bien connaître comment introduire, comment les conduire et bien conduire. Parce qu'il ne suffit pas de dire que, bon, on va introduire. Oui, on introduit, mais comment Si par exemple maintenant, comme il a eu à le dire, il y a la phase liquide, semi-liquide et maintenant solide. Mm. Maintenant, la phase semi-liquide, on commence déjà à donner euh, les produits, les solides. C'est un problème parce que son organisme n'est pas prêt. Vraiment, on, on prépare l'organisme, on prépare le tube digestif de l'enfant. C'est pas du jour on commence pas à lui donner du n'importe quoi. C'est une préparation mhm. jusqu'à pouvoir arriver. Maintenant, au lieu de donner ces produits semi et ces produits liquides, on donne solide. C'est un problème pour le tube digestif. C'est le parcours des, centres sanitaires. C'est vraiment tout le problème sur là. Et maintenant, pour les, le liquide, au lieu de donner comme il le faut, on donne uniquement de liquide, c'est la malnutrition. Et la malnutrition avec toutes ses conséquences aussi, comme il a su. Donc l'un dans l'autre, un mauvais sevrage entraîne un retard de son développement psychomoteur. Mhm. Au lieu de s'asseoir à 8 mois, ne va pas s'asseoir et à partir de 9, de, de 9, 10 mois, il commence à se tenir debout, il ne pourra plus le faire, mhm. ça joue sur, son développement. Sur la croissance, Tout à fait. et, et, sur la mère, est-ce qu'il peut y avoir des impacts euh, sur sa santé après avoir sévré son enfant L'état de la mère, c'est très capital. La mère aussi doit, doit manger correctement. Il faut que la mère mange correctement pour avoir suffisamment d'énergie pour prendre en charge son enfant, pour nourrir son enfant. Parce que on dit déjà, de 0,6 mois, donner uniquement le lait maternel. Et de, de 6 mois jusqu'à 2 ans, mhm. moi je dis, il faut continuer à donner le lait maternel. Mais si on ne mange pas correctement pour avoir suffisamment, l'enfant commence continue à, à, à, à, sucer, à sucer. Et cette dame, non seulement l'enfant prend tout, euh, tout son temps, et aussi la mère aussi qui est mal nourrie. En tout cas, l'enfant, ce qu'il a, ce qu'il a besoin, il en prenne Le reste, vraiment, c'est à la mère de chercher à comprendre. Donc, la mère doit être, doit bien manger, surtout ce que on dit le plus souvent, ce que je disais au papa lorsqu'on donne le lait maternel. J'ai dit non, ce que vous allez acheter pour euh, vous, le, le, le, lait artificiel, mhm. je ne suis pas contre. Hein. Mhm. Il y a certaines indications, on est obligé de le mais il faudrait bien ce qu'il faut faire, il faut payer correctement à manger pour la <laughs> femme, pour qu'elle mange, pour qu'elle soit en bonne santé, pour s'occuper correctement de l'enfant. Oui, une autre question. Est-ce que euh, après avoir sévré son enfant pour une raison ou bien une autre, la mère subitement recommence à donner le sein à son enfant Est-ce dangereux ou pas C'est ce que je dis toujours. Il n'y a aucun danger. Le lait, il n'y a pas de poison. C'est le même lait que le bon Dieu a créé. Et même quand certaines mères se présentent chez moi avec une grossesse et que mhm. voilà, on dit, la société dit de ne pas donner, je dis continuez à donner. Jusqu'à un certain moment, on va programmer, on va commencer et on va préparer l'autre enfant pour pouvoir arrêter le lait maternel, pour mhm. qu'il y ait euh, les autres euh, formations, pour que le lait soit préparé pour le second enfant. Il n'y a aucun inconvénient. C'est le même lait il n'y a pas de poison dans le lait. Mais qu'est-ce qui explique le fait que souvent certains enfants ont des malaises avec cette pratique que la mère arrête et recommence à allaiter son enfant. Certains enfants. Il n'y a, aucun pas de problème, il n'y a aucun inconvénient, mhm. aucun inconvénient. Et pour vous dire que la scission c'est très capital, vous allez même trouver des mères, des, des, mères qui n'allaitent plus ou bien qui sont presque en ménopause, mais lorsqu'ils prennent leur enfant par exemple, il y a des gens qui peuvent témoigner quand les, les enfants de leur, euh, euh, ils prennent leur petit-fils, ils mhm. le remettent au sein et au fil des temps, le lait revient. La femme peut bien euh, allaiter même en étant en grossesse Bien sûr, même à la femme, même quand la femme est enceinte, on mhm. peut donner le, lait maternel. Mhm. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai eu à suivre plusieurs enfants comme ça, mhm. et que arrivé à un certain moment de la, à un, un temps de, du terme de la grossesse, je prépare pour pouvoir arrêter pour que les autres constituants soit bien constitué pour le futur bébé qui mhm. vient. Sinon, il n'y a aucun inconvénient. Mhm. Ce sont nos pratiques traditionnelles <laughs> qu'on a, connues qu'on dit que non, c'est pas bon, ça et ceci, c'est cela, mais en réalité, il n'y a pas de problème parce que j'ai eu à suivre des enfants qui n'ont suivi aucun problème. Et je pense que s'il y avait de problèmes, ces enfants que j'ai eu à suivre mm-hmm. auront vraiment de, de, de, de, problèmes de, pathologiques, mm-hmm. mais il n'y avait pas de problème. Et mm-hmm. si vous me le permettez, même un cas que j'ai eu à suivre, une mère qui était en fait tombée enceinte 40 jours après, mais qui avait continué à allaiter son enfant jusqu'à ce que l'enfant avait 7 mois. Et c'était vers 7e, 8e mois qu'elle était venue en consultation, mm-hmm. parce qu'elle voit qu'il dirait qu'il y a quelque chose qui bouge dans son ventre. Et c'est en ce moment, après avoir fait les bilans et tout, que c'était une grossesse. Mm-hmm. Et j'ai dit, mais madame, supposant à 40 jours déjà que mm-hmm. l'enfant, l'autre enfant avait presque deux mois, vous étiez tombée enceinte comment vous allez faire Vous n'allez pas continuer à l'allaiter. Elle m'a dit vraiment c'est vrai. Et j'ai dit, vous allez sevrer. J'ai dit, et voilà, ce bébé est en forme et sa croissance s'est passée normalement. Mhm. Et vous voyez, donc vous, vous pouvez témoigner qu'il n'y a pas de problème, mais il faut savoir arrêter à temps pour qu'il y ait les bons constituants mhm. pour le futur qui viendra. Merci à vous. Je reviens vers vous, Monsieur Bello, euh, avec le processus euh, du sévrage, comme l'a expliqué euh, Madame docteur Sabou Zainabou. Euh, pendant cette période, il faudrait nécessairement que les mères mangent, euh, doivent bien manger. Mhm. Il faut qu'elles mangent bien. Quels sont les aliments euh, qu'elles doivent manger oui, il, faut, faut dire que les aliments que mm, la mère doit manger, il faut que la mère mange équilibré. Équilibré, c'est-à-dire quand on fait l'allaitement, normalement, on a plus besoin d'un certain nombre de choses. Mm. Par exemple, la mère qui allait, elle a beaucoup plus besoin d'énergie. En ce moment-là, dans son alimentation, il faut plus d'aliments énergétiques, notamment les aliments de type céréales et féculents, de mm. façon générale. Maintenant, la mère également qui, qui allait, n'est-ce pas, elle a plus besoin de, de, protéines. Donc là également, il faudrait adjoindre en plus de ce qu'elle a habituellement, il faudrait lui donner d'autres aliments, notamment des aliments riches en, en protéines. Et également la grossesse et, excusez-moi, l'allaitement, également favorise, euh, entraîne une augmentation des besoins en vitamines et en sels minéraux. Donc, euh, il faut aussi que la femme qui allait puisse recevoir des aliments riches en, vitamines et en sels minéraux. Mhm. C'est notamment le cas des, fruits et des, légumes. Mhm. Donc, lorsque la mère allait, donc, il est important, n'est-ce pas, qu'elle puisse recevoir ces aliments-là, ces trois groupes d'aliments-là notamment les aliments riches en protéines, les aliments riches en énergie et les aliments riches en vitamines et en, sels, sel minéraux. Mm-hmm. Maintenant, je voudrais simplement rebondir par rapport à, son intervention. Donc, il faut dire que euh, c'est vrai que souvent on a des pratiques et on a tendance à ériger ces pratiques-là comme étant des, normes. Mm-hmm. Donc, il n'y a aucune pratique qui veut qu'on arrête euh, l'allaitement parce que la femme, la femme, la femme est la femme est enceinte. Donc la grossesse ne doit pas empêcher, mais malheureusement, souvent dans notre contexte, dès que la femme tombe enceinte, elle arrête, elle arrête, l'allaitement. Mm. Et l'autre chose que nous remarquons par rapport à, à cette pratique-là, souvent, euh, c'est euh, le sevrage, il est, il est brusque. J'ai l'habitude de dire que l'enfant qui est en train d'allaiter l'enfant il vit une relation avec euh, avec sa mère. Mm-hmm. Vous pouvez mettre une relation amicale, relation amoureuse, mm-hmm. donc euh, avec avec sa mère. Donc euh, quelle que soit la relation, lorsqu'elle est interrompue brutalement, il y a un choc qui peut se passer chez la personne qui va subir ce, manque-là. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je dis que on, parle de processus. Donc malheureusement nous avons souvent cette habitude de, faire cette une pratique. Bon voilà un beau jour l'enfant se retrouve chez sa grand-mère et sa mère n'est pas là et puis voilà on arrête, on arrête l'allaitement. Et comme elle l'a dit, forcément, il faut préparer l'enfant. La phase préparation, c'est vraiment important. Le mot préparation à l'arrêt de l'allaitement, ce mot-là, c'est important. Il faudrait mhm. vraiment préparer. Il faut éviter de faire ça de façon brusque comme mhm. cela se fait dans notre milieu. Et dans certains cas, euh, certains enfants, une fois, c'est vrai, ont du mal euh, à s'y adapter. Certains refusent même toute alimentation. Mhm. Dans ce cas, quel... Euh, quel conseil vous donnez pour euh, les compléments d'aliments Oui, quand, on est dans le processus, c'est-à-dire qu'on est dans la phase allaitement et qu'on veut introduire, surtout les mères qui ont fait l'allaitement exclusif, qui veulent introduire d'autres aliments, effectivement, il y a souvent une réticence des enfants. Et là, euh, ce que euh, l'on demande, c'est surtout que la mère soit très très patiente parce que c'est quelque chose qui ne va pas arriver tout d'un coup. Donc il faut, il faut habituer l'enfant, il faut échanger l'enfant, il faut que l'alimentation devienne un plaisir pour l'enfant. Parce que mhm. tout comme l'allaitement exclusif a été un plaisir pour l'enfant, il faut également que la prise d'autres aliments là soit un plaisir. Donc il faudrait, comme je l'ai dit, euh, pratiquer ce que nous appelons l'alimentation active, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser l'enfant lui-même et l'amener à manger. Donc il faudrait échanger avec lui, il faudrait l'encourager, vraiment faire de ça plus ou moins un, jeu pour que progressivement l'enfant retrouve l'appétit. Mais sinon, effectivement, il y a souvent des enfants qui ont bénéficié de l'allaitement exclusif, mhm. qui, lorsqu'ils doivent rentrer dans la phase alimentation de complément, phase de sévrage, justement, il y a des, petits problèmes par, mhm. rapport à, cela. Docteur Zainabou, que faire euh, si l'enfant refuse tout aliment après le sévrage C'est comme ce qu'il a eu à dire. Hein. L'enfant, même lorsqu'il est au sein, il est un peu capricieux. Il prend tout son temps avant de finir euh, <laughs> son plat ou bien même avant de... Même quand on donne le lait, il prend le lait, il joue, il reprend, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il fait. Donc, il faut que vraiment euh, les parents soient patients. Que ça soit, quelquefois c'est le papa ou bien la, maman, ou bien un autre, une autre personne qui donne à, manger. Donc vraiment, il faut être très très très patient. Même si c'est par gorgée qu'il faut donner, il faut donner. Parce que quelquefois vous donnez, il peut prendre euh, une gorgée et puis aller jouer, revenir, prendre, et c'est comme ça. Mm. Et il faut être beaucoup patient. Tant qu'on n'est pas patient, on ne peut pas alimenter un enfant. Et tout ça aussi, c'est rentrer dans son développement psychomoteur. Monsieur Bello, un mot sur euh, le sévrage Oui, oui, oui, effectivement, le, le sévrage, c'est une bonne pratique, mais ce qui est mauvais, c'est la façon dont, généralement, nous faisons le, le, le sévrage. Mhm. Et, euh, le docteur l'a évoqué tout à l'heure, lorsque la femme enceinte on arrête de donner le lait maternel. Ça, c'est pas une, ça, c'est pas une bonne chose. Donc, si c'est ça le sevrage, c'est mauvais. Mais le sevrage, tel que on l'a dit, c'est un processus qui va de 6 mois jusqu'à 24 mois ou, plus. Mais si c'est sevré, euh, l'enfant à 17 mois, parce que tout simplement on a, on a une nouvelle grossesse, ça c'est une mauvaise chose. Mm-hmm. Si c'est faire un sevrage brusque, parce que tout simplement l'enfant se réveille brutal, le, un beau jour, sa mère n'est pas là, ça c'est une, ça c'est une mauvaise chose. Mhm. Mais sinon, la pratique en tant que telle, c'est une pratique qui prépare l'enfant, comme on l'a dit, à recevoir le lait, le lait maternel, euh, à, à, recevoir d'autres aliments autres que le lait maternel. Donc la pratique elle-même, c'est une bonne chose, mais la façon dont nous faisons cette pratique-là, c'est cette façon-là qui n'est pas souvent bonne, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup de déviations, il y a beaucoup de défaillances par rapport à la mhm. façon dont nous pratiquons le, sévrage Et donc, euh, pour finir, quel conseil euh, aux pour bien réussir le sévrage le, le, conseil que je donnerais aux maire faites l'allaitement exclusif jusqu'à six mois à partir de six mois, rentrer dans le processus de sevrage avec une bonne diversification alimentaire. L'enfant qui croit, il a besoin euh, beaucoup plus que nous de certaines choses, notamment les aliments comme les fruits et légumes, les mhm. aliments comme euh, euh, les, protéines, euh, souvent, bon, lorsque, euh, quand vous regardez dans certains milieux, les gros morceaux, les bons morceaux de, de viande mm-hmm. <laughs> sont réservés, sont réservés au père. C'est comme si c'est le père qui a beaucoup plus besoin de, de, de, mm-hmm. de, ces, de ces protéines, alors que l'enfant qui est en phase de croissance, l'enfant a beaucoup plus besoin de ces éléments-là. Mm-hmm. Donc le conseil que je donnerais, c'est vraiment faire l'allaitement exclusif jusqu'à six mois. À partir de six mois, avoir une bonne diversification alimentaire. Chacun, en fonction de ses moyens, va introduire les aliments qui, vont apporter de l'énergie, notamment mm-hmm. les céréales, les aliments qui vont apporter des protéines, notamment le niébé, le sésame, les aliments qui vont apporter des vitamines et des sels minéraux, notamment les fruits. Pas besoin de faire de prendre des fruits qui viennent d'ailleurs, nos fruits locaux sont largement suffisants pour apporter ces vitamines et ces, mhm. sels minéraux. Et l'autre, le dernier conseil, comme je l'ai dit, si on parle de sevrage, c'est à partir de 6 mois jusqu'à 24 mois. Ça veut dire que l'enfant qui, euh, va, continuer à recevoir le lait maternel jusqu'à jusqu'à 24, mois. Et la chaleur, normalement, ne doit pas faire en sorte que n'arrête arrête l'allaitement exclusif. Mhm. la, chaleur ne doit pas faire cela. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment les conseils que je donnerai aux mères pour une bonne pratique de, sevrage. Merci à vous, docteur Zenobou. Je finis par vous, vos conseils pour les mères. Donc, vraiment, les conseils qu'on euh, donne aux mères, euh, vraiment, on revient toujours donner le lait maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. C'est mhm. très capital, comme le nutritionniste l'avait dit. Et après 6 mois, ces besoins ne couvrent plus, il faut introduire d'autres aliments. Et donc, comme j'ai eu à le dire, de 6 à 9 mois commence la phase liquide, comme on l'avait dit au tout début. La phase liquide, on a soit, il y a les farines enrichies au niveau des pharmacies, ou bien la bouillie qu'on a. La bouillie qu'on vend même chez les femmes qui vendent la bouillie, mais il faut l'enrichir mhm. parce que ça c'est liquide, c'est trop liquide. Il faut l'enrichir, l'enrichir avec le lait, l'enrichir avec les pâtes d'arachide, vraiment tout purer, tout ce qu'on peut mhm. broyer pour que ça soit liquide. Puis continuer à donner le lait maternel. Mhm. Et aussi, il faut donner les fruits selon la saison. C'est très capital. Et maintenant, de neuf mois jusqu'à deux ans, c'est comme la phase sémile liquide. Là, déjà, on peut commencer le plat familial, mais bien sûr sans piment. Donner mhm. beaucoup de sauce. Et là aussi, on peut mettre nos légumes et puis faire de ça de purée. Mhm. Et surtout, ce que j'attire leur attention aussi, il faut être très patient. Très patient avec l'enfant. et avec la patience qu'on arrive à le nourrir correctement. Et après, déjà, neuf mois, deux ans déjà, il est, il est habitué à ses aliments et quelquefois ils ne réclament même plus le lait. Et là, vraiment, on peut faire, on peut faire notre, entre <laughs> guillemets, fameux sevrage, arrêter de donner le lait maternel jusqu'à l'âge de deux ans, comme c'est écrit dans le Coran et puis aussi vraiment qui a été démontré. Donc, je pense que c'est très capital. je termine avec vraiment le mot patience. Patience, patience, c'est mm. ce qui amène vraiment l'enfant à croître normalement. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, comme vous venez de l'entendre. Le sévrage est une bonne pratique qui apporte beaucoup d'autres aliments riches pour l'enfant, cela pour sa bonne croissance. Et pour une bonne pratique du sévrage, il faudrait de la patience, de la patience pour une très bonne pratique du sévrage. Et c'est ici que prend fin le forum de ce soir. Nous étions avec euh, Madame Sabo Zainabou, elle est pédiatre, et Monsieur Bello Razak, nutritionniste. Merci d'être venu. À demain pour un autre numéro du forum du studio Kalongo.